Prévenir vaut mieux que guérir. Cet adage, les chauffeurs de la gare routière de Mbake l'ont bien assimilé. C'est pourquoi ils prennent des mesures idoines pour parer à toute éventualité. Ce chauffeur confirme. Respecter le code de la route, c'est la première chose. Deuxième chose, moi. Nous respectons d'abord le code de la route. Nous respectons aussi les usagers. On est jeune, mais nous faisons tout nos mieux pour euh, éviter les accidents de la route. Nous sommes qualifiés et disciplinés, donc euh, nous savons bien conduire. Donc, chauffeur de qualité, chauffeur de discipline, chauffeur de Un autre d'ajouter qu'il exige toujours aux usagers de serrer la ceinture de sécurité, mais ces derniers ne respectent jamais cette mesure. centre moom yaakaar naa moom kooku ko moom kenn mënu koo Euh, nous ne pouvons pas conduire sans serrer la ceinture de sécurité, car c'est cela qui assure notre sécurité. Notre seul souci, c'est que parfois nous demandons aux usagers de porter la ceinture de sécurité, mais ils refusent toujours à respecter cette mesure. C'est un problème, car cette mesure nous porte préjudice.

On ne souhaite pas des accidents, mais vraiment notre cohabitation avec les autres, c'est un grand problème. La concurrence est dure. Euh, c'est pourquoi il y a toujours des accidents. Et parfois, ce sont les chauffeurs qui sont fautifs, car ils ne nous tolèrent rien du tout. Ces conducteurs circulent baquet sans port de casque. L'un d'eux explique les raisons. Certains ont leur casque, mais ils ne le portent jamais. Pourtant, nous savons bien que nous devons porter de casques comme nos amis chauffeurs qui sont exigés à serrer la de sécurité. Si certains transporteurs respectent le code de la route, d'autres s'en détournent et font leur propre loi sur la route. Les agents de sécurité sont appelés à veiller strictement à la sécurité routière.